Chers auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans le Niger sur Kalangou de ce jeudi 14 décembre 2023. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment vas-tu ce matin Je vais bien, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté à la régie, à la technique, c'est Seni Saka et Raila Toussoumana à l'édition. Alors Seno, présente-nous le menu de ce matin. Aujourd'hui, Fanta, nous avons prévu le flash d'information, une bonne dose de musique 100% euh, nigérienne comme d'habitude, au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du avec les femmes du studio Kalangu et la page sport. Direction Tawa pour l'entretien du jour. Oui, Fanta, ce matin, nous allons parler de la gestion du marché moderne de la l'ADER avec Ali Chebou, euh, l'administrateur délégué du dit marché. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Chers auditeurs, c'est parti pour le flash présenté par Rabi Mekano. Bonjour Rabi. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Nous débutons ce flash avec ce communiqué rendu hier par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de transition qui condamne le maintien des sanctions de la CDAO sur le Niger suite au sommet des chefs d'État tenu à Abuja le 10 décembre dernier et cela suite à la participation de certains membres du gouvernement nigérien de CHU au 64e sommet des chefs d'État de la CDAO. Le Niger condamne cette énième provocation de l'institution selon le communiqué qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négocier à la, à la situation politique actuelle. Le retrait des troupes françaises stationnées au Niger tend vers la fin. Dans un élément de la télévision nationale du Niger diffusé mardi, on apprend que 1346 Français et 80% du matériel logistique ont été désengagés hors des frontières du Niger. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français au Niger, dont la moitié sont des logisticiens. Pour rappel, depuis le coup d'État du 26 juillet, les nouvelles autorités du Niger ont rapidement demandé le départ de 1500 soldats français et dénoncé les accords militaires avec Paris. Malgré des négociations tendues, la France a finalement accepté le retrait confirmé par Emmanuel Macron pour la fin de l'année. Et au cours d'un point de presse animé hier à Niamey, la secrétaire adjointe aux affaires africaines des États-Unis d'Amérique a exprimé les préoccupations des États-Unis sur l'arrêt des relations entre le Niger et certains de ses voisins. Elle encourage les négociations pour une sortie de crise. C'est tout pour le flash de ce jeudi. 14 décembre. Bonne journée à tous. Merci, Merci. Bonne journée aussi. Chers auditeurs, dans la partie entretien de ce matin, nous allons parler de la gestion du marché moderne de l'ADER, l'un des nouveaux joyaux de la région d'Ottawa. Il compte plus de 1300 boutiques et ça sera avec euh, l'administrateur délégué Ali Sheibou. Et oui, euh, mais avant, Fanta, nous allons d'abord explorer notre playlist euh, musicale du jour. En premier, nous allons écouter un, featuring entre Hakim et DJ Mastertaf. Et ça donne tout simplement Kufito Allah Bamukudi. On kiffe et on revient. Koufito Koufito gani Allah ya bamu tunda dai shine mai bada ba uban wani ba yaro yaro ne ko da dan su kuma sauran yara sai da mu ga masu ba talasa ba ya Allah ba mu kudi Allah kai roka mu kudi ya Allah ba mu kudi siya ta je ya ba ya Allah haushe ya Allah ba mu kuɗi uwa su ji aiba ai ba a komi saka manyan kaya dan hau jirgi ya habebi mai kyawo ku fito ku fito ƴan uban mu ku zo ku gani ai shi daban kwado bai hawa sama fito ku gani ga ikon Allah iri da iri Allah ne ya hore ba da suka iya yaran baya girma ya zama boss mai kaca tafna ku mai sa ku ku da kan sai ku taka rawa kai uban ku na sabga kidan baya sauya taka rawa kai kai rawa kai kai rawa kai kai rawa Allah ba mu kuji ya Allah ba mu kuji Allah kai na roƙa ba mu kuji ya Allah ba mu kuji siya ta je ba mu kuji ya Allah ba mu kuji ƴan uba su je haushi ba mu kuji ya Allah ba 'yan uwa su ji daɗi ai ba a komi saka manyan kaya dan hau jirgi da habibi mai kyawu Shira Allah ya ba mu ya za mu da su mu kashe ko mu bari ya dai akashe a kashe a kashe a kashe koko a bari a kashe in kana da kudi ka kashe ka kashe in ko baka kudi ka bari abin ba dole ba Allah Allah Allah kai na roka Allah ba ne kudi da yawa tulu tulu Allah ba ne gida goma ba su tsariya Allah ban biliyon ma. in ji dadin duniya Sheikh Sissoko in ji dadin duniya ga mace premier Mohamed Al-Gumaret kofeto kofeto enuwa uwanmu kogani, zo ku gani nadia masa ku gani ga akimi ya zo abun a ga Maria matawa abun agani, ga zara utai abun agani, ga babele tayi abun agani, gani ga yan shu tayi abun Et eh oui, la chanson Kufito Alaba interprétée par euh, Hakim et DJ Mastertaf, est un véritable chef-d'œuvre. Les deux artistes fusionnent magistralement leurs talents euh, pour créer une expérience musicale captivante, soulignant l'importance de la connexion spirituelle dans un monde souvent obsédé par la richesse matérielle. Une composition qui résonne au-delà des notes, elle invite l'auditeur à réfléchir sur des thèmes significatifs et à embrasser une perspective plus profonde de la vie.

Voilà, retour au studio après cette pause musicale. Nous allons à présent écouter la première partie euh, de notre entretien avec euh, le gérant du marché moderne de Tawa. Il nous parle de la procédure d'attribution des boutiques et kiosques. Il est au micro de Fanta Shamsou. Alors, monsieur l'administrateur délégué, comment se passe la gestion de ces marchés euh, La gestion du marché de Tawa se passe euh, très bien. Euh, selon notre cahier des charges, malgré certaines difficultés qui datent de la démolition de l'ancien marché. Parce que vous savez, L'ancien marché a été démoli. Juste avant la démolition, euh, il y avait eu un recensement des anciens occupants dans le marché qui a été fait par la mairie centrale de Tawa. Donc, euh, moi, à mon arrivée, euh, ils m'ont transmis ce document de 2194 occupants et 466 pages. Donc, avec les expériences comme ça, je ne peux pas essayer d'attribuer des boutiques à ces 2000. 194 occupants composant le document. Euh, j'ai pensé utile de faire recours au comité de gestion du marché qui a été nommé par le ministère du Commerce, de, de créer un sous-comité pour essayer de toiletter ces, pages, euh, c'est-à-dire euh, les vrais, détenteurs de boutiques ou kiosques, étalages ou boutiques, puisque les 2194 là, ce n'est pas uniquement les boutiques. Il y en a des étalages, kiosques et, hangars de l'ancien marché. Et ces comités, comment a-t-il procédé euh, dans la gestion de cette situation Donc on a parcouru ce document de 466 pages par euh, ce sous-comité composé des membres de syndicats du commerçant de Tawa, euh, un représentant de la mairie et des techniciens qui sont avec nous, y compris moi-même. Donc on a parcouru ça page par page. Il y a eu des erreurs depuis même le recensement. Il y a d'autres, ils ont été recensés sur des kiosques. Or, auparavant, ils ont des boutiques. Et nous, grâce à cette correction de ces membres-là, puisqu'ils se connaissent tous, c'est des gens qui, étaient dans le marché depuis 30 ans, certains permis de 35 ans, donc ils se connaissent. Donc suite à ça, on a pu tabletter ces, documents de 2194 occupants qui nous a conduit à, aux vrais occupants, détenteurs de boutiques 662 occupants de boutiques, 302 kiosques 304 étalages et 366 hangars. Donc suite à ça, encore, nous avons fait recours au comité, une réunion pour présenter ces documents à tous les membres du comité et on a remis ces documents euh, à chaque euh, syndicat, puisqu'il y a deux syndicats de commerçants. Nous avons passé à la souscription, la demande des boutiques, toujours en priorisant les anciens occupants. Donc euh, ça nous a pris plus de trois semaines pour cette souscription des demandes des boutiques. Tous ceux qui sont là, sont venus souscrire en tant qu'anciens. Nous, on regarde, puisqu'on a déjà créé une base de données qui nous permettra de savoir si cette personne-là est dans notre document ou pas. Donc, euh, après avoir fini avec les anciens occupants, on a fait appel à d'autres citoyens qui souhaitent vraiment rentrer dans ce marché de venir se souscrire, c'est-à-dire les nouveaux demandeurs, puisque l'État a dit de prioriser euh, les anciens occupants dans le marché. Euh, on a fini cette instruction et on a passé à les appeler de venir se présenter, tous ces gens-là. Comment ce marché est-il structuré Et le marché, je vous avoue, a été zoné par nature d'activité. Comme vous le voyez, c'est un marché moderne. Donc, euh, on a, suite à ça, on a zoné le marché par catégorie d'activité. Là, c'est le quartier de prêt-à-porter. L'autre côté, c'est électroménager. L'autre quartier, c'est produits cosmétiques. L'autre côté, c'est alimentation. À l'étage, nous avons de cellulaires et accessoires cellulaires. Euh, je suppose qu'il y a plusieurs catégories de boutiques. Comment ces boutiques ont-elles été euh, ajustées Nous avons euh, cinq catégories de boutiques. La plus grande boutique, c'est la boutique euh, de 30 000. Et la deuxième, c'est les boutiques de 25 000. Troisième, boutique de 22 000. le quatrième aussi, les boutiques de 15 000. Nous avons les boutiques à l'étage et dans le couloir au rez-de-chaussée, nous avons des boutiques qui sont là à 15 000. Et tout ce qui est hangar, comme c'est un marché moderne, c'est à 8 000. Donc, euh, kiosques qui sont, puisque maintenant nous n'avons pas d'étalage, on parle de kiosques qui sont à 8 000. Voilà. Combien de boutiques et kiosques comptent ces marchés euh, le marché euh, compose 1317 euh, boutiques, trois blocs sanitaires, des chambres froides, une mosquée, un bloc administratif de 12 bureaux. Chers auditeurs, marquons une pause avant de poursuivre cet entretien. Nous allons souffler en musique, n'est-ce pas, Seino Bien sûr, Fanta. Nous allons écouter cette fois-ci Tonka, un featuring entre DJ Mastataf et Shoba. Polum polum Shoe boy a sober bumbling Dandalan dandalan dilan Masta tafka da minki dinki din I can't keep banging so koa, yaki dama bandama, ce ne masauki na So mu manta da kowa Minene dadin soyayya Minene tsarin soyayya Kin mo mi. yi daɗi hamma zahi kin zamo mini tonka Kada i ga zahi kin zamo mini tonka sai daɗi hamma zahi sabida ke sun buge ni sabida mm, ke sun sage ni sabida ke sun mm, sabida ke sun my bum. Takodoza balista Comme Mike Koshuba balisté Un matin Kuteina bamuya Tana muna sahi Tana muna sahi Kinzamo militonka Kadai kazahi Et oui, le titre Tonka de DJ Master Taf et Shoba est une véritable ode à l'amour comparablement au piment qui embrasse doucement le cœur. Cette métaphore musicale exprime la passion ardente et les émotions intenses que l'artiste Shoba ressent pour euh, sa bien-aimée. chaque note résonne comme une déclaration enflammée, soulignant la force de leur amour tout comme le piquant esquis du piment donne une saveur unique à chaque bouchée. Voilà, chers auditeurs, c'était Tonka de Choba et Master Tafa. Nous allons continuer avec Ali Cheibou, l'administrateur délégué du marché moderne l'ADE. E. Cette fois-ci, il nous parle des quelques difficultés qui bloquent l'occupation de ces marchés. Et euh, monsieur l'administrateur délégué, qu'est-ce qui bloque l'occupation de ces marchés À cette date, l'occupation du marché, c'est devenu comme une coutume, si je peux l'appeler. Vous savez, avant la démolition, euh, la démolition de ce marché, les gens ont catégoriquement refusé cette démolition. Donc euh, il a fallu par des mesures des autorités pour qu'on puisse les dégarper et démolir par souvent certaines, euh, comment on appelle, euh, pas fort la force, puisque à l'époque c'était un autre système à part. Les gens ont fait leur stratégie pour faire, chercher les, les, meneurs, les, les, personnes influentes pour qu'ils puissent d'avoir quitté pour que les autres les suivent. Partout on a eu ces échos, souvent les gens pour qu'ils reviennent, c'est un problème. Même maintenant, on va procéder. Euh, suite à notre dernière réunion du comité, le feu vert a été donné euh, pour que tous ceux qui occupent les espaces euh, publics qui ont été recasés après la démolition de regagner le marché. Puisque tous, ils ont eu leur boutique ici. Ils ont pris, mais l'occupation, c'est en quelque sorte la mentalité, c'est notre mentalité. Mais on, les autorités suprême de la région, euh, ensemble, sont là en train de prendre des mesures pour que toutes, euh, tous ces occupants-là reviennent au marché. Et à la date d'aujourd'hui, euh, nous avons quelques commerçants, commençant par les cellulaires. Il y avait un engouement. Il y a beaucoup de gens qui étaient venus euh, déjà euh, réparer leur boutique et mettre déjà leurs produits. Et l'occupation est lente, comme on le dit, puisque dans notre contrat de base, c'était dit, après la, dès la signature du contrat, euh, le locataire a 45 jours d'occupation. Dans le cas qu'il n'arrive pas à occuper, la l'administration prend des mesures à l'amiable d'abord s'il n'arrive pas à résoudre à l'amiable, c'est le retrait automatique. Mais alors, comment procédez-vous à la sécurisation de ces marchés Oui, le marché, euh, tout comme les autres marchés modernes, nous avons euh, euh, la police, il y a un détachement déjà de la police qui est là dans le marché. Nous n'avons pas déjà un commissariat, nous avons déjà remonté à l'hierarchie le besoin d'un bloc pour la police. Et c'est une société privée qui prend en charge euh, la sécurité du marché et la salubrité aussi du marché. C'est une société privée en place de la région qui est en train d'embellir ce marché, si vous le constatez depuis un moment. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de non-respect du contrat des bails, comme la surlocation par exemple Et comment gérez-vous ces genres de situations et Vous savez, euh, ça, je vous ai dit, tous ces occupants-là, on les a appelés par appel téléphonique pour venir se présenter selon la catégorie. Nous avons commencé cette journée, si nous allons commencer par les prêts à porter, on appelle 40 euh, comme ça, ensemble. Dans une salle, on les explique le contrat de bail. Dans notre contrat de bail, euh, la surlocation est interdite, la fusion des boutiques est interdite et la vente aussi. À notre grande surprise, Dès la veille l'ouverture, les gens ont commencé à spéculer, à vendre les boutiques entre eux, les commerçants. Sitôt, nous avons saisi, euh, avec la démonstration, le personnel qui est là, nous avons fait le, tour du marché. Parce qu'il y a d'autres, vous savez, tant que vous n'avez pas de preuves, vous n'allez pas venir. On est parti fermer les boutiques que nous avons de preuves que ces gens ont vendu entre eux. Et là, euh, à la date, je vous dis, Alhamdoulilah, ça, ça a cassé quand même le, mythe, cette spéculation. Une dernière question. Est-ce que vous avez un appel euh, particulier à lancer à l'endroit des commerçants ou même des autorités L'appel que j'ai à lancer, c'est que, les, les commerçants euh, de, la, ville d'Etawa aux alentours, puisque c'est un marché régional et national, l'État a investi avec euh, une grosse somme de 22 milliards, c'est euh, joyeux. C'est une fierté d'ailleurs. Les autres euh, régions n'ont pas eu cette occasion. Et qu'on dise le commerce, le marché, c'est le poumon de l'économie. Et Tawa, on sait que le commerce vit. Puisque quand l'État pense à vous investir ce genre d'infrastructures pour vous-même, en tout cas, c'est de faire bon usage et venir montrer à cet État et que nous sommes contents de ce que vous venez de nous faire. L'appel que j'ai fait, qu'ils sachent que c'est pour eux. Donc, à venir regagner le marché et qu'ils sachent que encore c'est un marché régional et d'autres et national et d'autres peuvent venir d'ailleurs occuper ce marché. C'est le cri qu'on les appelle qu'ils mettent ça en tête. C'était Ali Sheibou, l'administrateur délégué du marché moderne d'Etawa, qui dans un premier temps nous a fait une présentation détaillée du marché et par la suite a évoqué le, programme le problème d'inoccupation des boutiques. Merci à Asman Aboubakar pour la réalisation de cet entretien. Un clin d'œil à tous nos auditeurs de qui nous écoutent à travers nos radios partenaires. Oui, Fanta, on revient après une courte pause. Nous partons euh, dans le monde de l'intelligence artificielle et découvrir une facette souvent méconnue. Curieuse, n'est-ce pas Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous allons plonger dans le monde de l'intelligence artificielle et découvrir une facette souvent méconnue, son empreinte carbone. Des chercheurs se sont penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage et les résultats sont surprenants. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mamoudou, responsable de l'équipe numérique. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, ravi d'être euh, ici pour en discuter. Super, alors Ousmane, parlons de cette étude qui a, a quantifier euh, l'empreinte carbone de la génération d'images par l'IA, l'intelligence artificielle. Comment les chercheurs ont-ils abordé cette question alors, c'est une étude assez intéressante, je trouve. Donc, les chercheurs se sont en fait penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage, en particulier en ce qui concerne la génération d'images par l'intelligence artificielle ils ont collaboré avec une start-up euh, qui s'appelle Hugging Face, qui est très connue dans le domaine, une start-up américaine euh, développant des outils pour euh, utiliser l'apprentissage automatique notamment, et une université qui s'appelle Carnegie Mellon, située, qui est aussi spécialisée évidemment en recherche, qui est à Pittsburgh, en, Pennsylvanie, donc aux États-Unis, pour mener cette étude-là. Et qu'ont-ils découvert concernant l'empreinte carbone des images générées par l'IA alors, les chercheurs ont examiné un total de 13 tâches. C'est parti de résumé de textes, de la classification de textes, etc. etc. Et ils mhm. ont calculé le volume de gaz carbonique donc, produit pour 1000 grammes. Mhm. L'expérimentation a porté sur 88 modèles euh, différents qui ont utilisé 30 ensembles de données. Donc, 88 modèles de langage, en fait, il faut comprendre par là que ce mhm. soit des modèles de type chat GPT, midi journée etc., pour la génération d'images. Et pour chaque tâche, euh, pour chacune des tâches, les chercheurs ont saisi 1000 requêtes pour tester euh, les, modèles. Et donc, selon l'étude, l'empreinte carbone d'une image générée par une intelligence artificielle est équivalente à une recharge complète d'une batterie de téléphone, de smartphone. Donc, à chaque fois que vous générez une image sur midi sur DALI, hmm. bah, vous, vous épuisez la batterie complète d'un téléphone portable l'équivalent. Et donc, le modèle le plus gourmand parmi tous les modèles qu'ils ont testés, c'est Stable Diffusion. Pour toutes les personnes qui sont un peu de l'intelligence artificielle, Stable Diffusion, c'est un modèle de langage qui est gratuit, donc qui est un peu le concurrent de Midi Journée qui sait à, générer des images. Lui, il est open source et donc c'est lui qui hmm. consomme le plus euh, d'énergie. Cela peut sembler minime à première vue une batterie du smartphone, sauf que si vous faites, euh, le ratio à l'échelle de la planète, euh, hmm. ça fait beaucoup. Alors, les chercheurs ont également examiné euh, différentes tâches liées à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas Exactement. Donc, la génération d'images se distingue parmi toutes euh, les, les recherches qu'ils ont faites. C'est la génération d'images qui se distingue nettement comme l'activité la plus gourmande en énergie. La classification de textes est l'activité la moins économe en énergie. Et avec euh, la, la, démocratisation des outils, il y a des créations d'images. L'étude suggère quand même que le volume des émissions de CO2 pourrait rapidement augmenter. Et euh, quelles sont les recommandations que les chercheurs ont formulées Alors, les chercheurs soulignent l'importance de la transparence. Ils recommandent aux scientifiques euh, et aux entreprises euh, de divulguer la nature et les effets de leurs modèles afin de mieux comprendre leur impact sur l'environnement. C'est une démarche qui est très importante pour atténuer les conséquences potentielles de la croissance rapide euh, de l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers le monde. En termes de transparence, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, Google et Microsoft, ils ont publié leur rapport de responsabilité environnementale pour l'année 2021 pour l'année 2022 du moins. Et dans, ce dans ces rapports, on, apprend par exemple que Microsoft a consommé 6,4 milliards de litres d'eau en 2022 pour refroidir leurs euh, serveurs soit une augmentation de 34%. Chez Google, on est passé à 20%. Donc, pour un peu donner l'idée euh, à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre, parce que des milliards de litres d'eau, ça veut rien dire. J'ai regardé euh, la consommation énergétique, par exemple, du Niger dans le rapport du ministère de l'Énergie. Mhm. En 2021, le Niger a consommé 1,3 gigawatts euh, d'électricité. Et les serveurs de Google, rien que Google, en 2021, il a consommé 21 gigawatts. Donc ah. Google seul, <laughs> c'est 21 fois la consommation d'électricité du, Niger. Et donc pour refroidir tout ça, Google a eu besoin de 20% d'eau supplémentaire. Mm. Alors Google, 20% d'eau, c'est quand même beaucoup. Ça, se chiffre à 21 milliards de litres d'eau. Et là encore, j'ai euh, regardé les statistiques euh, en termes de consommation d'eau euh, du Niger. Et pour la ville de Niamey, par exemple, en 2019, j'ai trouvé un rapport de la euh, Seine qui dit que Niamey a consommé, euh, la Seine a produit 4, 45 millions de mètres cubes. Alors, chez Google, on est à 21 millions de mètres cubes pour refroidir les serveurs. Donc c'est à peu près la moitié de la consommation d'eau de, Niamey. Hmm. Hmm. Merci euh, beaucoup euh, Ousmane pour euh, ces éclaircissements sur l'impact environnemental de la génération d'images par l'intelligence artificielle. Une invitation à la transparence pour un avenir plus durable. Merci Ousmane et bonne journée. Merci. Chers auditeurs, avant de découvrir la suite de notre programme, nous allons encore une fois de plus souffler en musique avec Ismouane sur le son beautiful life. Oh, I'm a feeling so good. Oh Lord, I'm a feeling so nice today. We are na na na. Oh, mm, I'm feeling good. We are feeling like so. Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a for now, mommy. Oh, I am a feeling so wonderful now, mama. Oh. Just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah. Thanks so busy, I'm waiting for life. Mama, oh, I just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah. Thanks so busy, my beautiful life. Mama, yeah. Mama, living my life, I live it right, all my feelings are fine. Mm, tomorrow gonna be a better day, I can see sunshine. Oh, Lord, I am also thankful once again. Oh, Lord, now don't let me down. Eh. Oh Lord, now I feel wonderful now. We ain't na na na. I'm a feeling so funny today. Ah. Oh, I'm feeling good. We are feeling like so. Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a grateful now, mommy oh. I am a feeling so wonderful now, mama oh. Just wanna live in my beautiful life, mama yeah so busy, I waited for life. Mama, oh, I just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah, thank you so busy, my beautiful life. Mama, yeah. Paper rolling player, paper rolling player. Na na na na na na. We can live in together. Yeah. Make your life so better. Na na na na na na. Paper rolling player, paper rolling player. Na na na na na na. We can live in together. Make your life so better bitter for life, bitter for life, bitter for life. I'ma ah, live it to right, live it to right, live it to right. Bitter for life, bitter for life, bitter for life. I'ma ah, live it to right, live it to right, live it to right. Oh, I'm feeling good. We are feeling like so. Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy. Oh. oui, Beautiful Live, interprété par le talentueux rappeur nigérien résident aux États-Unis. Il s'agit de Ismoan. Hein, qui offre une euh, perspective sur la beauté de la vie. Les paroles de la chanson créent une expérience auditive immersive, voilà, qui transporte l'auditeur dans un voyage empreinte de positivité. Ismoan, avec sa maîtrise artistique, nous offre un morceau qui célèbre la vie,

I am a getting for now. Mommy, oh, I am a feeling so wonderful now. Mama, oh, just wanna live in my beautiful life. Mama, eh, thanks is so busy, a really life. Mama, oh, I just wanna live in my beautiful life. Mama, eh, thanks is so busy, my beautiful life. Mama, eh. beautiful life, beautiful life, beautiful life i am a living to right, living to right, living to right. Beautiful life, beautiful life, beautiful life. i am a living to right, living to right, living to right. Voilà, chers auditeurs, c'était Beautiful Life de l'artiste Wan. Sinon, on passe au reportage région. Tout à fait. À Tirozérine, on enregistre des cas de violence basés sur le genre. Cependant, le service de la protection de la femme et de l'enfant tente à leur manière de lutter contre ce phénomène selon Boukeri Abdoulaye, le directeur départemental de ces services, à cause de leurs maigres moyens, aucune activité entrant dans le cadre des 16 euh, jours d'activisme contre la violence basée sur le genre n'a été effectuée. On l'écoute au micro de Ahmed Filan. Ici à Tiro, les violences les plus fréquentes auxquelles nous faisons face sont les agressions sexuelles, les viols et les violences conjugales. Mais il faut noter qu'ici à Tiro, il y a un handicap majeur qui nous empêche de mener à bien cette mission de contre les violences basées sur les genres. C'est le manque de partenaires. Ici à Tiro, on n'a pas de partenaires, il n'y a pas des ONG. Du coup, c'est avec les moyens de voix qu'on est en train de faire tout ce qui est lutte contre les violences basées sur les genres. Par exemple, si vous prenez maintenant, dans le cadre de 16 jours d'activisme, nous ne sommes même pas en train de faire des activités pour manque de moyens. Malgré les problèmes, nous sommes là dans le cadre des services et c'est notre mission régalienne de lutter contre ces violences basées sur les genres. Du coup, avec la brigade des mineurs et des femmes et notre service protection et promotion de la femme, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens de bord pour lutter contre ces violences basées sur les genres, que ce soit sur les mesures dissuasives ou préventives et même les mesures pénales. D'ailleurs, si le cas s'avère et que ça atterrit au niveau de la justice, notre appel que nous allons lancer, c'est au niveau des partenaires parce qu'il y a tellement de partenaires mais qui ne sont pas décentralisés. Toutes leurs activités se font au niveau de la région alors qu'on a des départements comme Tiro qui est un département assez large. On n'a pas de partenaires, on n'a pas de moyens financiers pour mener ces activités. Pourtant, il y a des cas de violence basées sur les gens qu'on nous nous donner à chaque moment. Donc, pour que ces dénonciations soient à un stade encore plus élevé. Il faut qu'on fasse des sensibilisations, amener la population à venir vers nous pour dénoncer ces cas de violences basées sur les gens. Voilà, c'était Boukeri Abdoulaye, le directeur départemental de service hein, de, de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants de Tirozérine. Il était au micro de Ahmed Filan. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page sport avec euh, notre chroniqueur du jour. Il s'agit de Guruza Hasumi Karimou. Guruza, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Eh, j'espère que vous avez pris du café là. <laughs> Pas encore, mais euh, après. Merci. La cinquième journée de la Super League se poursuit, n'est-ce pas, Gourouza, dans les différents stades du Niger Oui, hier, mercredi, des matchs ont été joués. D'abord, la rencontre de Zumunta et le Sahel avec euh, la victoire de Zumunta sur le score de 2 buts à 1. Ensuite, il y a eu un match nul entre. Un match nul. Euh, il y a, eu un match 0-0 entre le Liberté de Niamey et l'Espoir de Zender. Puis même score 0-0 entre Tagour provincial du Dosso et la JST de Tawa. Et enfin, l'Union sportive de la gendarmerie et l'ASFAN ont fait match nul un but partout. Alors Gourouza, euh, quel est le classement de cette euh, Super League Oui, euh, sinon il faut noter que l'AS Fan occupe la première place avec 12 points, suivi de l'AS Nigelec 10 points. L'Union sportive de la gendarmerie se retrouve avec 7 points, 3e. Et l'Urana qui est 5e avec 7 points. Il faut noter que c'est une équipe de l'intérieur du pays qui crée des surprises du jour au lendemain demain. En bas du tableau, on retrouve le Jean Gorzo de Maradi 15e avec 3 points, suivi de l'Espoir du Zender 1 point et la Cocana d'Arlette ferme la manche avec 0 point. Et voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gourouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 37 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Seno, tu nous présentes qui ce matin Eh bien, ce matin, Fanta, nous allons à la rencontre de Noura Adam, un jeune électricien de Dogondouti. Âgé de 28 ans, il a fait sa formation au centre de formation au métier de la ville et s'est fait une renommée à Douti dans ce, dans portrait que nous propose Samira Rouafi, nous saurons comment Noura s'est retrouvée dans ce domaine. Il était noir. Noura Adam a quitté l'enseignement général après avoir tenté le BPC sans succès à plusieurs reprises. Il a eu son diplôme en électricité bâtiment et cherche à présent à décrocher son cap. Il nous parle de comment cette aventure d'apprentissage a commencé. 2020, ni koma santar na cfm da duci eh gaskiya alhamdulillah gaskiya na samu umarni da yawa na samu alheruka da yawa tun da hamma ina gida ana zuwa nema na in je in yi dipa na shi ko kuma in je in yi mountain wasu split da wasu abubuwa hakanan da dai makamantan haka Selon Noura Adam, les difficultés financières lui empêchent de se concentrer sur ses études, mais cela ne l'empêche pas d'avoir des projets, avoir un diplôme qui lui donne le libre choix, réaliser son rêve. Et eh, tout, kaɗan ne dai na ɓangaren karatu wata rana za ka taso za ka shi wajen karatun kuma sai iski babu wani dan wani abu wanda za ka riƙe ga hannunka in ka zo nan dai wurin karatun dai na kakkaga wari na wanga na wanga ba kai shi ba mun chef de travaux au centre de formation au métier, parle du parcours du jeune homme durant son passage au centre. Et donc Adam a été formé ici pendant une période de deux ans. Donc vu son comportement lorsqu'il était apprenant ici, c'est un apprenant vraiment très intelligent, que ce soit en pratique ou en théorie. Il est bon en conduite. Et vraiment, je l'apprécie. Noura Adam appelle les jeunes à être soucieux de leur avenir. Toute personne se doit être utile pour elle-même et son entourage. C'était le portrait de Noura Adam, un jeune électricien de Dogondouti, réalisé par Samira Rouafi et rendu au studio par Alamine Ouachar. Et oui, Fanta, le Niger sur Kalangu, c'est aussi une bonne dose de musique 100% nigérienne. Consommons local, comme on l'a dit, n'est-ce pas, c'est nous Exactement. Et c'est pourquoi je vous invite cette fois-ci à kiffer le titre Mariri du groupe MGM Crew. you don't know. Kalmajiriyazo, masamba, idan su maririte yazo. Aji yaki huto, kalmajiriyazo. Lagoa gidan nan, ai wurin ki ne yazo. So nema kudi ba, ban so nema abincin yo yo yo. Ban so nema alfarma maba, ban so nema wurin kwanci ba, wayo yo yo.

love you. Et oui, chers auditeurs, euh, à l'instant, c'était bien le titre Mariri chanté par le groupe MGM Crew, tout en espérant que vous avez aimé. Et après cette pause musicale, on passe au loti du jour. Dans cette rubrique, les femmes du studio Kalangu parlent aujourd'hui de l'hygiène de cuisine. Oui, la cuisine doit être dans une maison l'une des pièces les plus propres, car tout ce qui y sort va dans la bouche. On écoute Rakia Arimi et Samira Rouafi. Lotzi, Lotzi, Lotzi. Así vamos, Reyyan. الحمد لله nimwago wote ai man bai gabe yakin nonu nan hmm, nan ne bai di ne ngwari te irwo nodin hara irkin sino irko be ichoga borga halal nan ba hawi <laughs> ifo wani wani o haifunan tai wannan da irko to na mu kore kan ngiye ka to ni ga fanda bai kalni kaya heyi ifo gambi gambi ifo no bani ifo gadunin hayya wullun ne hamburandi ni godi ni godala mu ifo na te mutkan godala wo goda yaki ne ifo no ni woni gogadi aiwe sig fahamni se ni su bai be hannu go bani son sig di kan godala wo zibi zibo wa gano ni gogoi <laughs> ni mu mantakan sai da kese no ai siyaga ai chora wala mantiya dinu ni gitari gunu matkan zibo wo ba gwada lawo ga ai ga beka tun kuna hine ngono na gwada lawo zibiya kine ta sai wo kulkan gogi siga furfur ga sayya sayya nan kulu iga gane ni to handu wai kan nin faini mu ta sai ni hey bon zai ga kyoro ni sidi kan bar sinu kan gaiga dai funu goyodo ai no zan kai salo ai no windo salo ai ya walla sin da dam kan ga hayo kan ga gine margu margu eh irko bege ni ga tansiyon tunan di borra ni sin lokaci kwai ni mu himgane windo woga fuo wal nan gizo kan him ga hagoi da no ga bisaya kul zaman wagi za da fatta ne kalmera ni lakal sibatun ni wani ga hamba no den almiya lo wano se ifo ga katti ta sanyi miyan daga hamba ni koi ne haye wo dumi kan ni gite janga windi salu yan walai ne ni wani da lawo kan ni gonan zibira wani ga hinga nan zibi zibai wo mu koi dogi dogi zayin fuyon ku im ka ga kwale ngware ga wadin muna aga mate gundukar wal dogi dogi zayin mu koi duwara mhm ome oh, to mata na igite ai muduga ai wani gwadala di. to ne bai nan kan dogi dogi zai ga targa ba nan kan hari ga kaino da nan kan tayandi tayandi gono ko ni mu haikul kan ga tizibi ni himga mogan da nindin dinga baga dake ma zai fis mun yan wa kan goga gisin girga kan da ni gunu mu zai mukan busan bu dai gin san ni gin gadan hal ya hare amma mogi ne amma mogi da nan kan ne ga dake wadin gana zibi zibai da kwari haikul kan ga ti kwari iska nan wago do hare wai wai wai wani kulu ome oh, mafanguni wani gahan bano din wani ize wani zam gahan bani wa ba hawa ba bari aba hm. to ai gidi mutkan ai gite wallahi ai bai dai kan ai bon fargandi nin dai no ya kal haifu nai ni wanda ke amma ni si ba goikin di ha hai a to ya ga. a to ya din me didi nin tarai ma zai imin logo amma di ka gidi nan kan ni gida ke kai kas ai go hangan nise ya mar foyen mono ga cindi ton dini gi ngi sintinda gine kulkan ni bai kan iga tasu nyuman mandano, ni me gisi nan kan iga goidai ni mahimgi gisi nan kulkan ni ba nan kan nigin wagai gisi wagi kogai maze mu ma kayan dan wagi zai kango kon kon ko yanra a ni himgi gisi no nango hanno imye nan nango salu im cin ga habu kanga nan wagai ga murmundi ne isi bagu nango ga sa ku fa'ima kwarin da haifuwancin dukkan dinga kwai ne nimnan gizibi margu kalama baya kine Hmm, ai yarda ni ga. Ine ai kyora ine cimci yan ta tare ka. Ai gabe kan wallahi ni gogoyi a ga taban di mine nim ban wadi nim ye ka ga fu kwai ne ga ye goy foyente. Amma ni gin goy bi karbonat. wal vinegar kwara wal mu lemu kaina nimi dan charra har kan su dungu gumura nim tonton ciri kaini fu wadin ga mani mani din kulka ni se ta sai ga abban sadin da ni gaban ni goyo. Hmm, haya ga himan da kan ga fala, amma ai ga kokari da yadin da ai mate. Ai ga kokarin mo gai ta sai hananan di zadir hino gaban. Ma da lecce ga wani ga bori han kai ga bayin ma da yano ya wadin gano ni ya lawaita ga ko bai ni mo. <laughs> to yamma ai sabu ai sabu ni se da yamurai wa kan ne no da irkoi ba ai wani gwadala siye ga zibi koi ne ni siye ka gagar yaki ne wadin bisa don sub da ni gidi mai gida kan da tuntun ton ya yi ni to nan nosi kano. <laughs> c'était le loti du jour. Chers auditeurs, Abdelmoumouni Ali Niali vient de nous rejoindre pour le mot du jour. Niali est journaliste au studio Kalangou et aussi traducteur en langue fulfulde. Aujourd'hui, avec lui, nous serons plus sur la discrimination. Niali, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Notre mot du jour aujourd'hui est la discrimination. La période de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur les chars s'est achevée le week-end passé. Et actualité oblige, notre mot du jour porte sur la discrimination. La discrimination, c'est l'action de traiter quelqu'un de façon différente à cause de son origine, de son sexe ou de sa religion. On est victime de discrimination au travail lorsqu'on se voit refuser un travail ou bien moins bien payé qu'un autre qui travaille de sexe différent qui, qui l'exécute pour le même motif, parce qu'on est femme. Alors, chers auditeurs et auditrices, comprenons que la discrimination est un traitement injuste et interdit par la loi. Une manière de lutter contre la discrimination est de réfléchir sur les préjugés et sensibiliser nos communautés sur l'égalité de traitement entre eux. En full-full-day, comme d'habitude, ko la discrimination des francs kan woni hano woɗade neɗɗo ngam et e ferewol gon nagan no debbo nagan no gorko perodirol gol ɗum waɗa caka gorko e debbo har gollal mum na har jobdi muɗum kandu no limte nder ko nantinta konngol discrimination ngol endan ko himɓe kani pamude kan woni ko perodirol caka himɓe ko woɗa non ko haɗa du non ngam no wodi lawol laamu leydi jukkude gacce ɗe yilaru firtude ko e himɓe dow majjum e waɗande himɓe duni fa hannde ekkintinoje ko wallira noon ko watta ɗum acca endan voilà tout pour Merci Niali. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde ou en Tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou écrit au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Niger, 2010. Euh, me irgu cin kofu wallahi sido kulongu irgu sabi sergu gi emission e gune kenga ayi wo musicien e questione oh. o oh, ay ga emission e gungumo ay gi debe gungumo eh, im fono ko karo im continue ko ni ngay inge ko karo ga mhm. donc igo nge la bisra chabe mataka gi manda igo bon surtout ngay ngay no him go bore sensibiliser ngay no him ga gabore yi ke gi mamat kanno wote mat kan kuna arne ke kwa donc ne di di bamu yogi te wat kul wat kul rogi hangal wa in fon ko karo sigilaji in worri narani alhamdulillah sini ni ni wonna yara yeso yaade si Allah moyi fu yo ni non wallahi dum en jetta Allah en jetta du wombe en gada dum ben alhamdulillah du he gurdam minen kandu min gori ɗum ko miɗen garanno ga ka min miijayi ni amma jon alhamdulillah dina amin sobtaaki miɗen keɓa komin ñaami wallahi sidi on kala ngoya simin gatti hono tati joyi on fuu min kettinake ɗum fuu min narata ni ka ni ni hono ɗemgal amin ni wona halda jaati mi en nana fulfulde nden miɗen nana ha ɗoɗa nden fu miɗen kettino ɗum wallay duna woodi woɗi sanne wallahi waylaka fa woɗi wallahi ni ni min jiɗi yehire yaade yeeso ko wona pillo ɗum fof gonga ɓolo ni noon wallahi gonga ni pillo hannden ka ko wona fille ɗum ni wonna waɗa du jaati ko wonna waɗa ɗum fuyi yiɓe jiya ɓe pillo ɗum ko wonna waɗa ɗum ni wonna haale du hannde neɗɗo fusi téléphone mum hiitema han takke fa haaɓa neɓay kibaru mo keega warde mo hannde no o alhamdulillahi ayo da yo bon sai ay sinde sa kul kul kal guru go moto yema kaga labari keki siyo kula ngwane ne har ka su kwarora dai man ta hin mos dai kai da raja feri ha ibo amma da mai kagor kan gani sai za za za za gu di da buno ayo ayo ay do boy gin gani tamay mai gama labar kan gote dunya ra din zalla bora si jere kan ay goga hangan idun yi fahamai wane lalle mo gi hangan gumu zama rajo hin ko bonur gu do ne wo ngani birni ikul mono irga duwai martanci ne a himan da kan hauhau kulsira irga ba digi hinga salan dir ir bo da harkar sa yo minitoro imaka imma dan irmo irma hangan kangana har kasu komino mo in bai kan igo ci do kalangu si gidara irga sabi se mo mo kokari irse igo gir famandi igo gir no dunya bayre irgo gi hangan wati kulu wati kulu di era to kal bore minga murada wika gor hangani wallahi har kana sir gudu halman timoso dina dan irbo akul tunu ko ka hangan no dabo go gara ja hangan iga ne albo go gote ima ne wala ra kalangu nirgo hangana bon a se ni ka margu nirgo agogi no fa maino Twenty-four seven, yeah, I'm on the road. Ay, seven to eleven, yeah, I gotta get it. Ay, stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Stocking my cheddar, yeah, that's all I know. 24 7. Yeah, I'm on the road. 87 to 11. Yeah, I gotta get it. Stocking my cheddar. Yeah, that's all I know. Stocking my cheddar. Yeah, that's all I know. Hey, yo, young Machiavelli. Shit, I gotta get it. Hey, I be on your telly. Yep, rubbing my belly. Hey, I am Balotelli. Nope, don't like Italy. Hey, go and act Shelly. Yeah, I look the jelly. Young nigga ready to get it. Don't need a miracle. Pop luck ready to grab it. Reaching the pinnacle. I can can feel your energy now. I know you're cynical. Had your girl ringing my line. She said I'm lyrical. Get on my level, B, get on my level. A skirt, skirt, back to the trenches, foot on the pedal. Had my ass whooped as a kid. I was a rebel. They said I'm playing hide and seek with the devil. I took the pill to chill. I love the way you feel. I disappear from the scene like David Copperfield. I reappear with a dream. Show me a better deal. I'm back again in the game. I need a hundred mil. 24 07, yeah, I'm on the road. Ay, 7 to 11, yeah, I gotta get it. Ay, stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Stocking my cheddar, yeah, that's all I know. 24 7, yeah, I'm on the road. Ay, 7 to 11, yeah, I gotta get it. Ay, stocking my cheddar, yeah, that's all I know. Stocking my cheddar, yeah, that's all I know born in the ghetto, yeah. That's how we got the source. Raised in the ghetto, yeah. We from the smiling coast, all about dinero, yeah. No matter what the cost, great Molly Beto, yeah. I am my own boss. This shit is greedy, it's crazy. We scare a lot of boys. I'm in the city like Jay Z, making a lot of noise. I'm feeling peaty and hazy, pulling a lot of toys. You niggas shitty and lazy, like you ain't got a voice. Forget about it, homie, don't ever doubt it. Shorty, we make a lot of money if you don't like it. Blow me, I'm on my way to the bank. You better come with the loot. I'm pulling up in the tank. My homie told me to shoot. We only shoot for the stars. Destination is Mars. Still sweating them bars. Still covered in scars. Still rapping my CD like I'm the nigga in charge. Still putting the work. Still living it large. Seven, yeah, I'm on the road. seven to eleven. Yeah, I gotta get it. Stacking my paper. Yeah, that's all I know. Stacking my paper. Yeah, that's all I know. Et oui, chers auditeurs, c'est sur cette belle sonorité musicale de Nasty que nous allons prendre congé de vous. Au micro, c'était tout simplement Fanta Chamsou et moi-même, Ali Munkela Ouseni. À la technique, c'était Seni Isaka et Raila Tussoumana à l'édition. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, le dernier de la semaine. Mais avant, ne manquez pas nos éditions dès 17h.